Euh, je voudrais dire que je suis euh, dans cette région euh, dans le cadre de mon congé annuel et j'en ai profité pour faire un peu d'activité politique pendant cinq jours à peu près. Et j'ai eu à visiter un certain nombre de nos structures. ce sont des choses que j'ai l'habitude de faire, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire, ce sont des choses tout simplement nécessaires, en effet. Et euh, vous aurez constaté que euh, cette année, euh, j'ai reçu un accueil exceptionnel partout où je suis. Je suis animé par un sentiment de satisfaction, de béatitude tout simplement. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, remercier infiniment les Nigériens et les Nigériennes de la région de Sender qui se sont mobilisés si fortement à l'occasion de ce contact que je voulu entreprendre avec eux. Je voudrais féliciter tous les camarades de, responsables de nos structures euh, qui ont pu rendre cette mobilisation possible. Hein. J'ai le sentiment que euh, notre parti euh, est en train de connaître un développement exceptionnel. Il s'agit d'une véritable explosion et c'est des choses évidemment de nature à nous très nettement. Et il faut déjà savoir que nous sommes de loin le premier parti euh, en termes d'implantation et de suffrage. Euh, cela avait par l'élection, les élections euh, de l'année 2016. Mais ce à quoi nous assistons à l'occasion de cette tournée, et nous en avions le prémisse bien avant, hein, sur la base des adhésions nombreuses hein, qui sont en train de se faire au profit de notre parti, sur la base donc de ce que nous venons de voir, c'est très clair que nous sommes passés à une autre échelle qui est sans commune mesure avec celle dans laquelle nous étions au moment des dernières élections de l'année 2016 et le parti est en train de s'installer de façon tout à fait massive euh, au point que, évidemment, il est tout à fait pertinent, juste et légitime de dire que euh, ce sera euh, une de, euh, la campagne électorale, c'est 21 jours. C'est défini par la Constitution et confirmé par le Code électoral. lorsque, sur ces 21 jours, on est en politique de terrain, comme je suis en train de le faire, on est en campagne électorale. Pour le moment, nous ne sommes pas en campagne électorale, nous ne sommes pas dans cette plage de 21 jours, réglementée de façon très stricte par le Code électoral. Euh, je suis une entreprise de contact avec mes militants. Euh, il faut savoir que le PNDS Tareya est un parti qui n'a pas hérité de rente, de, euh, qui l'est épargné de chercher ses militants lui-même. En tout cas, ça, c'était le cas de certains partis. Nous ne les avons pas vus sur le terrain, mais à chaque fois que nous sommes allés à des élections, ils ont des résultats supérieurs aux nôtres. Nous comprenons pourquoi. Nous, nous avons dû travailler pied à pied nous avons dû construire notre parti euh, brique après brique. Euh, nous avons dû souffrir et cette souffrance, elle s'est traduite notamment dans des visites sur le terrain, village par village, sur l'ensemble. Je, si euh, un président de parti devait attendre uniquement la, la période de la campagne électorale pour, pour agir, pour bouger, pour aller sur le terrain, à quoi ça sert de faire des partis politiques la, meilleure façon de s'anesthésier et de ne voir aucun contact avec la population, c'est d'être alors président de parti. Parce que si vous devez aller en période de non-campagne électorale, on vous accuserait de violer la loi. Quelle est est cette loi-là Qu'on nous dise une seule disposition de la loi électorale ou de la charte des partis politiques qui nous fait interdiction d'entrer en contact avec nos militants euh, quand on est hors de la période électorale. Un président de parti politique se doit d'être sur le terrain, en effet, d'être en contact avec ces militants. La forme du contact, elle dépend des situations, tout simplement. Il y en a qui auraient bien voulu euh, recevoir des bains de foule, comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc non, euh, je ne suis pas un mais aucune loi ne me fait interdiction de contacter mes militants. Quelle peut être la forme de ce contact c'est les circonstances qui l'imposent. Je peux vous dire qu'en sortant, moi, euh, j'avais préparé un discours. Mais à Cantier, j'ai compris que ce n'était plus possible <laughs> de faire le discours. Nous avons dû changer, nous avons dit, alors, puisque nous ne pouvons pas faire de discours en public compte tenu du nombre, euh, de l'affluence hein, des populations et de nos capacités, de nos sonorisations, etc., nous allons faire des réunions avec les responsables des structures. Euh, dans des salles euh, fermées. Et même ça, euh, en ce moment, je peux vous dire qu'il y a six chefs de partis politiques qui font exactement ce travail que moi je fais, selon des modalités et des conditions qui sont propres à la situation de leur parti politique. Certains sont de l'opposition, d'autres non. Les partis politiques ont vocation à être sur le terrain, euh, c'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que je continuerai à faire parce que je suis le président de... Je le respectais. Non. Je serai en contact avec les populations. En tant que président du PNDS Taraya, pour connaître le Niger, il y a des départements, figurez-vous, que je ne connais pas. Vous, voulez, vous pensez que je vais m'interdire euh, d'aller à Falmey, que je n'ai jamais visité Je me propose d'aller à Falmey, de connaître les populations de Falmey, de connaître les problèmes de Falmey, pour que j'ai désormais une idée de ce qu'ils sont et que je puisse y répondre lorsque, si Dieu le veut, un jour, je devais être président de la République. Donc non, il se trompe ceux qui pensent qu'un euh, président de parti politique, surtout lorsqu'il est au pouvoir, ne doit jamais agir, doit rester chez lui. Mais alors, qu'est-ce qu'il connaîtrait de son pays Qui le connaîtrait Et comment peut-il battre campagne Et en vertu de quoi il pourrait parler aux Nigériens pour leur dire qu'il est capable de faire ceci ou cela Non, il y a des partis qui sont condamnés à être à C'est leur sort. Ça n'a jamais été notre sort, nous, PNDS. Notre sort a été d'être sur le terrain. Mais je constate qu'à chaque fois qu'un ministre est en congé, il va avec son véhicule. C'est une tradition de l'administration nigérienne. Maintenant qu'on me fait le reproche, je vous promets que euh, je ne viendrai plus en congé avec un véhicule de l'État et je ne mènerai aucune activité politique avec le véhicule de l'État. Si ça, ça peut être les moyens de l'État. Euh, à part ça, moi, je n'utilise aucun moyen. La, sécurité, euh, il est loisible à quiconque euh, qu'on lui assure la sécurité en fonction de ce qu'il pense être euh, ce qui est nécessaire à cet effet, de faire une demande et on mettrait euh, la sécurité.